salaamaaleykum Mohamed Diallo maa ngi leen nuyu ak ñu nga bokkal plateau. avocat au barreau de Paris am mbekté aussi euh, di waxtana yow le euh, décision bi nga xam te nii moom la cour suprême djel moy dal si gatal mbir mi dang ko wara a wat dinañ ko àttee ce tribunal d'instance bu Ndakaaru ban analyse ban réaction par rapport à cette décision. waaw maa ngi lay gërëm euh, déglu na sank Babacar lu mu doon wax ci lu nga xamante ne moom lañ njëkkoon jàpp ni que cour suprême jox na euh, euh, euh, Sonko dëgg. Mhm. rejeté pourvoi bu l' agent judiciaire de l' état. Mhm. ma demaat ci biir dëggaat leneen xibaar luy wane ni que juge bi tranché wul de manière définitive mhm. mais dafa casser la décision du juge d' instance de Ziguinchor mu renvoyé ko à une autre composition notamment le tribunal d'instance hors de classe de Dakar Lolo, c'est vrai que juridiquement une cour suprême notamment la cassation ou le conseil d'état Amna na sañ-sañ bu jëlee ndogal juger de manière définitive mais renvoie à une autre juridiction qui avait rendu la décision mais dans une autre composition Lolo, day il y a ce qu'on appelle des genre hésitation on ça dit la sérénité de la justice au Sénégal parce que pas comprendre ci lu nga xamante ne donte sax defoo droit mais boy déglu dossier Ousmane Sonko depuis pingelben, ba tey même boo musul teg sax sa tànk ci faculté de droit di nga le juge de Ziguinchor Sabassi Fay a appliqué a appliqué le droit et que aujourd'hui je mën naa ni que la Cour suprême a fait ce qu'on appelle un revirement de jurisprudence sur la compétence même parce que euh, l'avocat général Ousmane Gagne, que je salue au passage, qui est un homme digne, un grand magistrat, quelqu'un qui a servi la justice sénégalaise depuis le régime de Wade, n'est que procureur, droit parce que j'ai travaillé avec lui pendant plus de 4 ans au niveau de la commission de protection des données personnelles. Je connais sa densité intellectuelle. Donc, je crois que vous devez, vous devez, vous devez, vous devez, vous sérieux vous tey cour suprême bañ a jël courage am jox dire le droit aujourd'hui cette justice là m'a déçu je suis pas content de la décision rendue par la cour suprême de Dakar aujourd'hui du Sénégal. légui maître. parce que amul fànn fu justifier le revirement bi tey n'a pas lieu d'être revirement de jurisprudence bu am ni ci compétence boobu amul droit parce que électeur vous faut voté vous hein? et quand on parle de la signification de la radiation de Ousmane Sonko nous avons son jugement par contumace mais Ousmane est entre les mains de de de de de la prison de vous donc notifié parce que dem il que parce que vous xam donc y' a un greffe de la maison d'arrêt hein? donc sur tous les plans la Cour suprême avait tous les arguments de donner raison aujourd'hui à Ousmane Soko et de finir définitivement avec le problème là Et mu ngi def le dilatoire xam nga dilatoire Tu lan. Mhm. da nga xam ne yow nekkoo ci Goudel jël mais da ngay def en sorte que. ngay gagner temps. ah mom la don wax tout à fait. Goudel jël. Hein? man li daf may euh, euh, euh, ya Moussa kii Moussa. waaw man tay bo bo boo droit bi tay ni un def droit pour xam deug fu mu ah, mais fii le la Cour suprême ne tranche pas sur le fond. Mhm. la Cour suprême elle tranche est-ce que la procédure est régulière. Euh, euh, euh, c'est pas le juge des faits, c'est le juge du droit. Ok. Hein? Mais, maître, si la Cour suprême pense... Mais maître, si la Cour suprême pense que le tribunal d'instance de Ziguinchor n'est pas compétent, est-ce que l'OLO n'est un motif suffisant pour casser la décision du juge Mais qu'est-ce qui va justifier l'incompétence de la juridiction de Ziguinchor Il faut nous motiver. Quoi. Quelle est la matière dont elle est saisie, la Cour suprême C'est une matière électorale mhm. hein? Pourquoi ce qui est valable pour Karim Wade ne peut pas être valable pour Ousmane Sonko ah. Cette justice à, variable, euh, variable en fonction de la tête des clients. Euh, Donc il y a géométrie variable dans l'affaire. Mais, bien sûr, pourquoi le valable pour Karim Wade, mon électeur au point E, le juge, le juge judiciaire de, Dakar soit compétent, lui, le juge judiciaire de Ziguinchor soit compétent pour cette même question na ñu envoyé la chose. léegi maître tey jii. Mhm. oui. bi mi ngi daw. Euh, Sonko war a demaat tribunal d'instance bu Dakar euh, mu nar a nekk loo xam ne ni buñ ko xoolee si wàllum temps euh, jafe na ñu mën a gëm ne que dinañ ko mën a vider laataa le 11 décembre bi nga xamante ni si lañ jëm te parrainage mi ngi daw léegi loolu politiquement nan lañ ko mën a jàngatee ban taxawaay la Sonko war a am par rapport a ces situations. non xam nga tey jii bëri na samay morom bëri na ay Sénégal yu nga xam ne tey jii dañoo téye seen carte électeur pour xaar kañ la ñuy jox Ousmane Sonko ay parrainage pour ñu dem parrainer ko donc état bëggul jox déjà une prélégitimité à Ousmane Sonko parce que ñëpp xam nañu tey jii bu ñu bàyyoon tey usman Sonko jël ay fiche de parrainage am dès le lendemain euh, mais il y aura une ruée des Sénégalais pour le parrainer donc Nous le parrainage et que mon ami euh, Ablatik avait fait euh, euh, avait contesté la mise en place du parrainage parce qu'il pense que ça viole le, secret du vote donc nous avons il y a plus de chances pour que nous votions. donc imaginez le candidat Ousmane Sonko bu bu y ay 3 millions de parrainage donc nous dañuy xam ne ne euh, inshaAllah, dès le premier tour il sera élu donc état